masuma ànd ak moom waa ji nga def waaw seen ma ne dem ba moo aye paroisse bu mag bi nag bii gën a mag si paroisse bi bu duggee xaar fii ñëpp bay xaar ñëpp amul keneen ba capitaine bi boo ko mu ngi xaral ba suba ba suba ba suba du ñu bàyyi du mari ma leen mbaaw rek amul leneen ñu ba suba capitaine bi six heures du matin ba léegi ñu ngi yuuxu du ñu bàyyi du ñu taay dañoo jàpp tax a bàyyi parce que parent bi dafa rëy lii yëpp lii yëpp moom la tey bu ñu ñëwee fii ñoo maam maman mari ñëw fii war a dund neex a neex a neex parce que tey li ko jaral mooy suñu مالا دمبا ابو خار ابو لنان ابو لنان تعجب الله mare boy ayo yeso we are we awe awe awe awe non en fait euh, ça ça n'était pas ça n'était pas facile pour nous en euh, marche bi on a parcouru 52 km Bah, actuellement nous sommes ni jusqu'à présent nous sommes ni di jubal sanctuaire pour bess pour dem gars accueillir Les deux en fait ah nous rendre grâce à Dieu puisque doon nañu capacité bi nga xamante ne moo tax ñu ñëw fii pour tagas mari pour ñëw ziare mari parce que yomul Mariama fu mu ñëwoo daal dañuy dañuy wuyu si daal non eh ça a été très difficile mais malgré que ñun vu que position bu ñu nekk ah mën naa ne tane na si ñun par rapport ak yeneen passé ak position yi ñu nekkoon. comment le chemin. ça a été long endurant et par la grâce de Marie on est arrivé. Est-ce que ça a été difficile pour vous Bien sûr, c'est toujours difficile. Mais pas quand il y a les prières, la force. Tu vas arriver forcément au sanctuaire, donc ça te donne le courage. Tu es Fatiguée. Oui, je suis fatiguée. Je suis très fatiguée. mais, ça va. voilà. je suis là. Quel niveau de, euh, tu as senti de yen. Yen. Ah yen. Ouh. Mais tu n'as pas lâché quand même. Non, n'ai pas lâché. Pourquoi Pourquoi Je pensais à l'arrivée. Et l'arrivée triomphale qu'on va faire. Voilà. Il n'y a que ça qui nous tient. Grâce à ça, ça nous donne le courage d'arriver. quoi. Voilà. Tout ça, on doit être là pour euh, faire triompher son nom. Merci. Alors tu sens fatigué, mais tu es là, tu es arrivé. Oui. C'est quand même arrivé pas la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui, t'a motivé pour arriver jusqu'ici Tu n'as pas abandonné déjà, quand on marche, ça fait un peu mal. On s'est dit qu'on va abandonner, mais voilà. Après tout, on est venu pour rendre gloire, rendre, venir à notre maman, donc pas la peine d'abandonner. C'est important pour toi Oui, très important. C'est ma mère, c'est ma mère, Après c'est tout. C'est ma relation avec elle. voilà. Courage à toi. Merci. 64 ans. Et vous avez fait la marche de Dakar à Poponguine. Martyr, Cap de Biche, Cap de Biche, Popongine. Et je rends grâce à Dieu. Ça fait plus de 12 ans. Ça fait plus de 12 ans. Ça a été comment Ça a été comment Très bien. Et je reçois des grâces. Ma première marche, je l'ai reçue. J'ai reçu une grâce et je suis allé à Rome. Et je, je souhaite retourner encore à Rome. Par la grâce de Dieu, par Maman Marie, je, je, j'irai encore.